forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes euh, dans le studio de la radio d'Amergou de Tanout. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. Une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le studio Kalango, pour rappel, est présent dans une trentaine de localités du Niger où 31 radios partenaires diffusent en direct les programmes du studio Kalangou. Après les régions d'Agadez et de Difa, l'équipe du studio Kalango est à présent dans la région de Zander pour être en contact direct avec les auditeurs et toucher du doigt les réalités du Niger profond. Nous sommes aujourd'hui à Tanout dans les locaux de notre radio partenaire Damergou FM pour un nouveau numéro du forum du studio Kalangou. Le thème de ce forum est Tanout itinéraire qu'empruntent les migrants. Pourquoi l'itinéraire de Tanout est emprunté par les migrants Comment ces migrants et les passeurs procèdent-ils Quelles sont les conséquences pour les populations de Tanout Qui sont ces migrants et passeurs qui passent par Tanout De plus en plus, des cas de brigandage et de vol à main armée sont signalés. Faut-il y voir un lien avec la migration quelle est la place de la filière migration à Tanout, quel impact sur l'économie pour en discuter. Nous avons invité le préfet du département de Tanout, Seyabou Moussa, avec nous également le maire de la commune urbaine de Tanout, Oumara Djibrilou. Merci à tous d'avoir honoré notre invitation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro du forum du studio Kalango. Le département de Tanout est situé au nord de la ville de Zander à quelques 145 km. Il se trouve à environ 280 km d'Agadez. Agadez, plaque tournante de la migration clandestine. Tanout compte une population de plus de 400 000 habitants. Alors je m'en vais euh, commencer avec vous, monsieur le maire de la commune urbaine. Quelle est selon vous l'ampleur du phénomène de la migration ici à Tanout On peut dire que vraiment l'ampleur est assez énorme au niveau de Tanout. Quoique ces dernières années, ce phénomène est en diminution. Donc euh, les années passées, vraiment, et à chaque fois, on voit les migrants se diriger vers, les, vers et de là continuer vers les pays du Nord. Et ces dernières années, on peut dire que vraiment ça a diminué parce que la police, la gendarmerie et la patrouille mixte vraiment mènent une lutte sans merci contre cette migration clandestine. Donc euh, à ce jour, euh, il y a moins de départs qu'auparavant, vous voulez Oui, il y a moins de départs que les années passées à 4-5 ans, vraiment, ça a pris d'ampleur. Mais au cours de ces deux dernières années, vraiment, ça a beaucoup diminué. Euh, monsieur le préfet euh, du département de Tanout, cette euh, situation de migration clandestine, Tanout fait partie des itinéraires que choisissent ces migrants pour aller vers les pays du Nord, l'Algérie notamment et, la Libye. Monsieur le maire de la commune de Tanout le disait que ces dernières années, le phénomène est en train de connaître une diminution. Pourquoi cette diminution selon vous Merci d'abord de l'opportunité que vous m'offrez pour euh, parler de ce sujet qui est vraiment d'actualité, un sujet, j'allais dire, pas seulement qui touche euh, le département de Tanout, moins encore le Niger, mais un sujet d'envergure mondiale, d'une préoccupation aussi internationale. L'immigration, effectivement, qui est un système la population, les jeunes, se livrent, n'est-ce pas, pour changer de lieu de résidence dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Donc, c'est quitter son lieu de résidence, son pays, pour aller dans un autre pays, effectivement, dans l'espoir de trouver, donc, comme je le disais tantôt, une vie meilleure sans tenir compte des difficultés, des contraintes qui sont rencontrées en cours de route. Si aujourd'hui, on a enregistré une diminution, n'est-ce pas, de ce phénomène, c'est parce que tout simplement, le gouvernement euh, nigérien de la 7 République, sous l'impulsion donc euh, de son Excellence euh, Monsieur le Président de la République, Mamadou Sifou, euh, est en train de mener une lutte sans merci effectivement pour contrecarrer ces jeunes qui se livrent à des aventures souvent incertaines, très aléatoires. Et entre autres dispositions qui sont prises et qui contribuent à atténuer ce phénomène, c'est effectivement euh, l'intervention de l'État et ses partenaires au niveau des différents, différents villages, ou, en tout cas ces, candidats, les villages de départ, ces candidats, donc euh, trouvent en tout cas, euh, n'est-ce pas, des, des possibilités d'avoir des activités génératrices de revenus pour des jeunes, donc avoir un emploi. Donc, en somme, quand vous prenez le département de Tanout en tant que tel, euh, n'a pas assez de candidats qui se livrent à la, à la migration, mais plutôt le département de Tanout sert de, de, passoire quelquefois. Mais ce passoire aussi, il est très limité du fait de la vigilance, effectivement, et qui est démise, de, en tout cas de la part de tous les acteurs qui sont impliqués dans, ce phénomène, dans cette activité on voit que quand même, euh, euh, compte tenu de, cette lutte sans merci dont vous parlez, et compte tenu de, toutes les mesures que l'État est en train de mettre en œuvre, ces migrants aussi trouvent d'autres moyens. On voit que de plus en plus des voies de contournement euh, créent euh, pour justement être à l'abri du contrôle. Les empêcher. Bon, vous savez, effectivement, de la même façon que nous sommes en train de lutter, de réfléchir sur les voies et moyens pour contrecarrer ce phénomène, les candidats aussi se livrent à des, stratégies qui leur permettent effectivement de contourner ces voies. Mais j'avoue que niveau du département de Tanout, en tout cas, beaucoup d'efforts euh, est en train de faire et qu'il euh, euh, faut aussi souvent distinguer les migrants et les voyageurs parce que nous avons aussi cette difficulté. Nous sommes de l'espace CDAO. Quand vous prenez les pays, membres de la CDAO, il arrive souvent que vous enregistrez dans les véhicules les, pays, des, jeunes issus de ces pays qui sont en déplacement. Nous, nous sommes dans un département situé entre Agadez et, Zander. Donc, de facto, nous ne sommes pas à la frontière. Il est très difficile donc de, de placer un filtre qui va dire alors tout celui qu'on voit en train de se déplacer, pourvu qu'il soit d'un certain âge, on le qualifie de migrant. Et souvent, il n'est pas migrant. Agadez, il y a beaucoup de, de, jeunes des pays de la CDAO qui vont à Gadez pour des besoins commerciaux. Alors là, euh, souvent, euh, c'est pour ça que nous avons dit effectivement, euh, il, faut, il faut distinguer les migrants et, les voyageurs et les simples voyageurs. Donc vous voyez, ceux-là qui contournent les barrières, qui contournent les postes de contrôle, effectivement, dès qu'on les voit, on sait que c'est des candidats. Et là, il faut les traiter tels et leur appliquer en tout cas la loi dans toute sa rigueur. Monsieur le maire, Djibril, euh, est-ce que vous pensez qu'effectivement cette distinction doit être vraiment euh, rigoureuse au niveau des autorités, au niveau de ceux qui sont chargés justement d'identifier, de, démanteler ces gens-là qui se livrent à la migration clandestine, la différence entre ceux-là qui ont le droit de, pouvoir se déplacer, de voyager par rapport à, ceux-là euh, qui partent clandestinement C'est difficile de les distinguer. Mais la police, la gendarmerie, la garde, donc, euh, ils sont formés mm, dans ce domaine. Parfois, c'est en interrogeant même les passagers. Parfois, quand vous voyez un véhicule qui contourne la barrière du contrôle, ça c'est vraiment c'est un immigrant. Parfois, quand vous voyez un étranger habillé de la façon nigérienne, facilement il arrive à les détecter. Oui, il y, y, a de ces facteurs. D'autres questions qui se posent, on peut se poser la question de savoir qui sont ces migrants qui passent par Tanout, sont-ils nombreux, combien sont-ils Pour moi, j'ai dit effectivement, nous avons quelques individus qui viennent d'ailleurs et qui traversent le département que nous surveillons de près. Donc, c'est quand je vous parlais de filtre, quand je vous parlais de l'espace CDAO, effectivement, quand vous avez des jeunes qui sont munis de leur carte CDAO, ils ont la liberté de circuler dans notre pays, comme dans les autres pays membres de la CDAO. Maintenant, quand ils vont aller franchir la, frontière, en ce moment, il y a des, il y a des autorités, n'est-ce pas, euh, en tout cas professionnelles, qui sont là pour contrecarrer ce phénomène. Mais au niveau du département de Tanout, en tout cas, nous sommes en train de nous, nous, y veillons. Et ça m'étonnerait, en tout cas, qu'on me dise qu'il y a des passeurs qui sont là à Tanout, euh, qui sont tapis et qui reçoivent des, des, immigrants, n'est-ce pas, qui les font passer jusqu'à la frontière avec, la Libye ou l'Algérie. est-ce que, vous, vous, confirmez ou infirmez le fait qu'il y a quand même oh, des, ressortissants du, du département de Tanout qui sont candidats à, à, à ces départs euh, Non, euh, moi j'ai dit non, j'ai dit non. Les ressortissants du département de Tanout, vous savez, regardez la communauté qui compose Tanout. Quand un jeune quitte Tanout pour aller à Gadez, ça ne veut pas dire qu'il va, c'est un immigré, c'est un immigré. Non, non, vous quittez Tanout. Vous partez à Gadez, il y a d'autres qui ont des parents là-bas. Quand la vie, quand ils, quand trouvent une vie meilleure là-bas, ils se rendent à Gadez. ceux qui vont, et ceux qui vont directement en Algérie ou à la Libye. Euh, et puis, vous savez, euh, effectivement, de par le passé, il y a ces jeunes qui se rendent en Algérie, à Libye. Mais depuis que la situation d'instabilité, la situation d'insécurité est devenue, euh, en tout cas, préoccupante dans, ces localités, il y a beaucoup de jeunes qui ont changé, qui ont changé d'activité. Le phénomène migratoire, c'est un phénomène qui existait depuis la nuit des temps. Ça, il faut le reconnaître. Mm. Alors, ces dernières années, effectivement, ça a pris une ampleur autre et qui a nécessité la mobilisation, n'est-ce pas, euh, en tout cas des autorités euh, à, tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais euh, j'avoue que l'activité ancienne qui se faisait, de par le déplacement des jeunes qui vont à la recherche, euh, n'est-ce pas, euh, euh, des, capitaux, comme on dit, sous forme d'exode. Sous forme d'exode. Avant, c'était une activité reconnue, validée de tous côtés. les, les, jeunes circulaient. Bon, maintenant, avec la situation d'insécurité qui prévaut un peu partout et le départ massif de ces jeunes, effectivement, on est arrivé à prendre des dispositions pour limiter les dégâts. Mais au niveau du département, j'ai confirmé et j'insiste là-dessus j'insiste là-dessus, que euh, nous, on a pris des dispositions. Vous avez la direction départementale de la police qui fait des statistiques par rapport à ça et qui enregistre quotidiennement si immigrants il y a. Et quand nous les prenons, on les fait retourner dans les fait retourner au niveau, au niveau de la région. Et de là-bas, des dispositions sont prises également. C'est une activité à laquelle certains se livrent parce que euh, la jeunesse euh, manque de travail, euh, les gens sont dans, le besoin et qu'il y en a qui n'ont en tout cas d'autres, activités à faire que ça parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Bon, les jeunes manquent d'activité euh, les jeunes sont au chômage, parce qu'il faut distinguer aussi qu'est-ce qu'on appelle chômage et qu'est-ce qu'on appelle manque d'activité. Pour être au chômage, il faut disposer d'abord d'une fonction, d'une activité, enfin d'un diplôme, d'une formation professionnelle qui vous permet d'exercer votre, votre vie active. Maintenant, à défaut, vous êtes à défaut de cette activité, vous pouvez vous mettre au chômage. Mais quand vous regardez aujourd'hui sur le plateau, euh, en tout cas, c'est que le gouvernement et les partenaires sont en train de faire dans ce département au niveau de toutes les communes j'ai dit qu'avec la création des activités, la création d'emplois que l'État est en train de faire à tous les niveaux. Est-ce que vous pouvez nous donner juste un exemple ou les, la création des activités qui occupent ces jeunes. Oui, les activités qui occupent les jeunes. Vous avez par exemple les projets qui interviennent en milieu rural, hein. euh, les activités par exemple de Cash for Work les activités de récupération des terres, les activités de construction des classes. il y a des projets qui interviennent et qui recrutent des jeunes pour, pour faire cette activité. Vous voyez Donc ces jeunes-là aujourd'hui, ils sont occupés. Ils sont occupés. Il y en a plein quand vous partez sur le terrain, vous allez le constater. Vous allez le constater. Donc à vous comprendre, à vous entendre, euh, si vous devez donner un pourcentage euh, de, ces candidats à la migration euh, nationaux et expatriés, vous donnerez combien de pourcents aux nationaux et combien de pourcentages ah, Je suis désolé, je ne peux pas vous donner un pourcentage parce que je n'ai pas fait de statistiques là-dessus, mais je vous, dis que vous, vous, dites que vous vous étonnerez qu'il y ait des candidats. Ici, à Mais justement, j'insiste, hein, si je vous parle des, des, des immigrés, ce n'est pas par rapport au département. C'est des jeunes qui viennent d'ailleurs d'autres départements ou d'autres pays voisins et qui tentent d'aller à Gadez, qui tentent, je dis bien d'aller à Gadez, maintenant ils vont franchir la, la, la, la frontière, ça je n'en sais rien. C'est le service compétent qui est au niveau de la barrière qui peut le savoir. Mais pour vous, il y a plus, il y a plus d'expatriés qui passent par Tanout pour aller ailleurs que des, euh, des locaux de Tanout qui partent. Mais, mais c'est clair, ceux-là qu'on qualifie si vous voulez que vous que vous, vous, qualifiez des, des, migrants. Mais c'est ceux-là qui viennent d'autres pays, les pays voisins, n'est-ce pas, et qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas de papiers, c'est eux qui nous qualifions de migrants. Mais celui qui vient de l'espace CDAO, je dis avec sa carte CDAO, et qui est en train de quitter Tanout pour aller à Gadez, nous ne pouvons pas l'arrêter. Quand nous le faisons, on a, failli. Mais celui qui, qui ne dispose pas de ces documents, effectivement, quand on le voit passer, il peut être qualifié de migrant. Alors, abordons, nous allons aborder la deuxième partie de, cette euh, émission, notamment par rapport aux raisons euh, du, transit par Tanout et aux conséquences. Alors, monsieur le maire euh, Omar pourquoi, à votre avis, l'itinéraire de, l'itinéraire itinéraire de est emprunté euh, par euh, tous ces migrants Tanout est fréquenté par les migrants parce que la route principale traverse Tanout. Si vous prenez du Nigeria à Zender, euh, Tanout à Grèce, c'est la, la route principale. C'est pourquoi les gens empruntent cette route-là. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a des facilités quelque part, parce que euh, il y a des réseaux organisés qui savent les faire passer Bon, là, tout ce que je connais, ces gens-là traversent Tanout. C'est à cause euh, de la route. Sinon, on aurait dû passer par ailleurs. Monsieur le préfet, c'est votre avis C'est vrai, la RN11 passe par Tanout, la RN11 passe par Tanout, mais ce n'est pas euh, parce que effectivement il y a, y, a, y a, facilité de, de, de, de, transit que les gens passent ici, je dirais non, parce que parce que tout simplement vous avez des services euh, euh, techniques qui est là qui y veillent et qui constitue un filtre, n'est-ce pas, par rapport à ces jeunes, c'est qu'ils arrivent à distinguer les migrants et, des autres voyageurs simples. Donc, euh, si les gens osent, c'est tout simplement parce que c'est la seule voie peut-être d'accès d'accès à, à Gadez. Et ceux-là qui contrôlent d'office, ils sont recherchés, ils sont, ils sont, ils sont, ils a entendu que certains ne passent pas par cette, euh, cette voie, cette euh, euh, voie principale qui, qui, va, qui passe par Ader, Bisna, Tagadez. Oui, bon, on dit certains ne passent pas, mais ils sont au nombre de combien Moi, j'avoue que, vous savez, vous savez, nous sommes suffisamment informés, suffisamment renseignés sur euh, ce qui se passe par rapport à ce phénomène. Et, et ça, c'est relativement, n'est-ce pas, euh, aux instructions fermes des, plus hautes autorités et aux moyens qui sont déployés, euh, n'est-ce pas, pour, qu'on, pour, pour, y faire face. Donc, euh, je vous dis, 2016, nous avons enregistré un seul cas que nous avons traqué en dehors de la, en dehors de la route. Et ça, c'est grâce aux services compétents, grâce à la complicité de la population. Je vous dis, ce cas-là a été traqué du fait de la complicité de la population. La population collabore. Et c'est la population qui les a mis à nu. Bon, imaginez cette population que le pasteur, là, le soi-disant pasteur de Tanout est en train de dire. Si la population est, candidate à ce, phénomène, est-ce qu'elle va oser dénoncer eh, un groupe de jeunes qu'elle constate en train de contourner eh, une voie réglementaire Je pense que non. Il y a déjà une contradiction, un phénomène qui est là. Euh, monsieur le maire euh, Omar Djibrilou, est-ce que vous pensez que le fait que Tanout soit euh, un lieu de transit, un lieu de passage, que cela puisse avoir des conséquences euh, sur le plan économique, sur le plan euh, vivre ensemble, cohésion sociale. Oh oui. Bon. Et cette opération de migration, parce que nous, nous l'avons dit que ces dernières années, vraiment, cette situation, elle est assez diminué. Donc sinon, nos jeunes qui voient ces gens-là partir, revenir, donc euh, ça, ça, peut vraiment les, comment dirais-je, ça peut les intéresser eux, aussi. Ça peut les inciter à Oui, ça peut les inciter eux aussi à aller dans ces pays lointains. Mais malheureusement, en cours de route, il y a beaucoup de choses qui leur arrivent. Il y a les accidents de circulation, parfois les véhicules tombent en panne, les gens meurent. Et dans les pays d'accueil, ils sont vraiment mal vus, maltraités souvent. Donc il y a de tout ça. Vous voyez comment les gens périssent dans les bateaux euh, de la Libye en allant vers euh, l'Italie, de l'Algérie en allant vers les autres pays. Vraiment, les gens périssent. Donc tout ça, et ceux qui périssent, c'est les jeunes c'est les jeunes. Souvent des femmes. Voilà. Alors, euh, monsieur le préfet, on a vu aussi que de plus en plus, euh, quelques cas de, brigandage, de vol à main armée sont signalés euh, ça et là dans le département. Faut-il y voir un lien avec la migration Non, ce phénomène n'a pas de lien avec la migration. Vous savez, ceux-là qui se livrent aux attaques à main armée, c'est des bandits c'est des petits bandits et que nous sommes en train de, chercher de traquer. Euh, vous allez constater aujourd'hui au niveau de, de, de ces, communes hein, du département de Tanout, il y a quand même, il y a quand même une accalmie il y a une accalmie parce que effectivement les forces de défense et de sécurité, en tout cas, ne, ménagent aucun effort. Euh, les autorités administratives également. Euh, la population aujourd'hui aussi a bien compris qu'elle doit collaborer avec les forces de défense et de sécurité parce que tout simplement, c'est d'abord leur intérêt, c'est d'abord leur leur, quotidien, n'est-ce pas, qui va, qui va se voir améliorer en, traquant ces, individus, n'est-ce pas, sans foi ni loi et qu'ils opèrent de façon, j'allais dire sauvage, mais euh, aujourd'hui, en tout cas, on peut dire Dieu merci avec la collaboration de la population, avec l'engagement en tout cas et le dévouement de tous les responsables, de tous les acteurs concernés, nous arrivons quand même à créer une accalmie comparativement aux, années, aux années antérieures. Monsieur le maire, euh, les vols à main armée, euh, est-ce que c'est la conséquence peut-être de, de ces gens-là qui passent, qui souvent n'ont pas toujours les moyens de pouvoir continuer leur chemin Non, et la plupart vraiment de ces jeunes, c'est même des jeunes du Niger. La plupart ici attendent. qui se oh oui. Certains l'ont appris en allant. En exode, la plupart même c'est comme ça. Oui. Mais les étrangers ici, bon, c'est surtout au marché. Quand vous prenez un petit voleur au marché, ça c'est quelqu'un qui vient un peu du sud, quoi. Mais le vol à main armée, la plupart de ces jeunes, ce sont même nos jeunes. Oui. Et ils ont appris ça à l'étranger, quand ils partaient en grand nombre. Mais maintenant, vraiment, comme le disait le préfet, la situation est sous contrôle. Donc, il y a quelques trois ans, on a attrapé un groupe de ces malfaiteurs. Rien que l'autre semaine aussi, on a saisi un, groupe de ces malfaiteurs. Et vraiment, la plupart, c'est des gens d'ici. Oui. Euh, nous abordons la troisième et dernière partie de cette émission concernant notamment les mesures, les mesures qui sont en vigueur et les limites de, ces mesures. Monsieur le préfet, euh, Moussa, quelles sont à l'heure actuelle les mesures vraiment qui sont en vigueur à Tanout pour contrer ces migrants, le dispositif euh, euh, qui est mise en place, en tout cas pour euh, essayer euh, d'atteindre de plus en plus euh, ces phénomènes Merci bien. Vous savez, au niveau, comme à l'instar des autres départements, tant nous dispose d'un cadre de, réflexion, un cadre au cours desquels donc ces genres de questions sont traitées. C'est des réunions contiennent tient de façon hebdomadaire avec tous les acteurs euh, et que ces genres de questions, effectivement, euh, sont, sont mises sur la table et puis on, en débat et on trouve des, solutions. Sous l'impulsion aussi, n'est-ce pas, des, autorités de la 7 République. Donc, euh, vous avez la direction, par exemple, de, la police hein, qui dispose d'une direction qualifiée, n'est-ce pas, pour traiter ces, ces, ces, phénomènes. donc, la direction des migrations. Alors là aussi, euh, cette, cette, direction, au niveau des différents postes de police que nous, nous, disposons, effectivement, euh, les éléments sont informés, les éléments sont renseignés pour que, euh, effectivement, euh, puissent distinguer les, migrants des voyageurs et quel traitement il faut faire à ce, à ce migrant, quel traitement il faut faire à, ce, à, à, ce, passager. Et la population aussi n'est pas du reste, hein, parce que dans nos missions, dans nos missions quotidiennes de, sensibilisation, donc nous informons former la population pour qu'elle apporte sa contribution à éradiquer ce phénomène qui, euh, effectivement, à la longue, quand, si, jamais, en tout cas, les dispositions ne sont pas prises, euh, il, risque d'avoir l'effet de contamination. L'effet de contamination, c'est quoi C'est quand, les, quand les, les, immigrants passent, euh, du fait de leur passage, les jeunes, quand ils voient, ils sont tentés aussi de, de, de, de leur emboîter les pas. Mais des dispositions sont prises pour contrecarrer ça là, pour ne pas avoir, en tout cas, des phénomènes, comme j'ai dit, donc euh, de, de, de, contamination. Et justement, est-ce que cet aspect de sensibilisation-là, euh, euh, quelle est la forme que vous lui donnez cette sensibilisation envers la population Vous savez, c'est très simple. Nous avons, nous avons une radio locale, la radio d'Amergou. Euh, nous avons dans d'autres communes aussi des radios. Nous utilisons ces canaux-là pour véhiculer le message parce que les gens sont en train de comprendre eux-mêmes, de par même les émissions qui se passent à la télé, qui se passent à la radio, les débats qui se passent à la radio. Les gens sont en train de comprendre le grand risque n'est-ce pas, qu'ils encourent en se, livrant à, cette activité. Donc, euh, c'est des voies euh, que, nous utilisons au cours des rencontres, au cours des, des forats, on insiste pour que, n'est-ce pas, euh, en tout cas, qu'il y ait des articulations euh, par rapport à ce phénomène pour que les gens comprennent et que c'est là qui, font l'éducation aussi, les éducateurs. Les éducateurs, c'est les parents, les éducateurs, c'est au niveau de l'école. Donc, même là-bas, c'est des phénomènes qui sont développés pour que les jeunes comprennent effectivement les dangers de, ces, de cette activité. Monsieur le maire, quelle est la place que vous réservez à, ces volets sensibilisation de, la jeunesse, de la population Oui. Donc, euh, il y a la radio communautaire, il y les rencontres. Donc, euh, nous nous sommes déplacés dans tous les centres de regroupement. C'est le préfet qui a présidé ces rencontres dès son arrivée ici. Le centre de regroupement, c'est quand il y a 10-20 villages qui se regroupent. Et on a fait ces, ces, rencontres sur tous les jours des marchés. Donc euh, la première rencontre c'était à Tanout. Après Tanout, il y a eu Agiri, Kokoram, Chirwa, Kelle Takoukou. Takuku, c'est le gros village autour desquels il y a d'autres villages. Et ces rencontres Donc lors de, ces, lors de ces rencontres, on a développé vraiment le thème de sensibilisation des autres, de, de, la scolarisation de la jeune fille, le paiement des impôts et taxes, tout ce qui vraiment concerne la vie, vraiment même du pays. Et surtout, on a demandé à la population d'aider les forces de l'ordre, la patrouille qui est souvent dans ces villages il faut les informer. Quand quelqu'un voit un malfaiteur, qu'il le dénonce. Et on ne dira jamais que c'est un tel qui nous a apporté cette information. On vérifie. Si vraiment l'intéressé, c'est un malfaiteur, on le prend. Si c'est un simple passant, on le laisse partir. Mais vraiment, on a mené plusieurs information et, plusieurs comment on sensibilisations. Rien qu'avant-hier, on était en brousse au marché du Carabtou. C'est le thème qu'on a eu vraiment à développer. Lequel thème et comment diriger la, la, la, collaboration la, collaboration dans le domaine de la sécurité et de la paix. De la paix. Oui alors, et vous avez l'impression que la population est en train vraiment de, de, s'approprier de, ah toutes ces questions et, d'apporter sa contribution Effectivement. Effectivement, la population contribue. Oui. C'est ce qui a même amené vraiment que je vous ai dit euh, antérieurement que cette question d'exode même a, a, a diminué parce que les gens sensibilisent leurs enfants. Ils conseillent leurs enfants. Parce que vous allez Parfois, vous perdez la vie. Parfois, quand vous revenez, vous n'avez même pas un franc. Monsieur le Préfet, c'est Moussa. Euh, tout parlant toujours des dispositions et des mesures, on sait qu'il y a une loi qui a été votée au Niger, euh, la loi de mai 2015, qui interdit justement le trafic des migrants. Euh, est-ce qu'on peut avoir une idée d'où est-ce que nous en sommes par rapport à l'application de cette loi Bon, vous savez, j'insiste là-dessus, hein. nous sommes euh, un département qui n'est pas à la frontière. Et j'avoue que euh, celui qui tente de franchir la frontière, c'est celui-là qui est qualifié de migrant. C'est celui-là qui doit suivre la rigueur de la loi. Là où nous sommes, notre position, quand nous soupçonnons quelqu'un de migrant, nous les prenons et les services compétents les renvoient au niveau de la direction euh, supérieure, donc sa hiérarchie au niveau donc régional. Donc tous les traitements se font là-bas. C'est là-bas donc que l'analyse fine est faite. Si effectivement euh, l'individu est un migrant, euh, il doit être traité tel. Et, maintenant, c'est à cette direction, n'est-ce pas, de, procéder à la mise en application éventuelle des, en tout cas, des dispositions par rapport donc à la forfaiture la personne que la personne vient de poser. Donc, à la limite, nous pouvons, nous constituons, comme je disais, donc un filtre. Ce filtre-là permet de tamiser, c'est-à-dire ceux-là que nous pensons effectivement c'est les migrants, la distinction entre les voyageurs, j'insiste encore, et les migrants. Donc, c'est ça, hein, ceux qui sont donc euh, euh, euh, effectivement des migrants, on les, on les, fait retourner au niveau, donc au niveau des Andes, on les fait remonter au niveau des Andes. Et je reviens un peu sur ce que le maire a un peu développé, c'est vrai. C'est vrai, on a, on a, initié une caravane de sensibilisation qui a sillonné pratiquement toutes les communes et tous les gros centres effectivement du département. Et euh, cette caravane a mis l'accent, en tout cas particulier, sur ce phénomène migratoire. Donc, c'est là où nous avons insisté aussi pour que la population collabore. Et je vous, je vous disais tout à l'heure, effectivement, la population collabore parce que les gens qui ont contourné la voie, c'est grâce à, la collaboration de la population qui ont été, qui, qui en tout cas, c'est grâce à cette collaboration-là que ces, ces individus ont été, ont été, ont été euh, comment dénoncés, dénoncés. Donc vous voyez, alors si cette population elle-même s'adonne à cette activité, est-ce qu'elle va dénoncer ses propres fils ou ses propres enfants Je pense que non. Et quand vous regardez, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Ils ne sont pas du département, ils ne sont pas de, de, la région, ils ne sont même pas du pays. Donc, euh, en grosso modo, monsieur le préfet, euh, vous, vous sentirez mal euh, la réputation qui est collée à Tanout Mais c'est clair. un, département de passage, département de, de, départ des. Oui, départ, ça c'est clair. Mais passage, ça, on ne peut pas, ça, on peut, on peut, pas l'empêcher. C'est une voie. Nous avons une voie RN11 qui traverse notre département et l'origine de départ, ce n'est pas Tanout, mais Tanout, c'est en transit que les gens passent. On ne peut pas contrôler ceux qui, ceux qui empruntent le véhicule à partir du Nigeria. Il y en a qui empruntent le véhicule à partir du Nigeria ou qui emprunte le véhicule à partir, je ne sais, en tout cas de quelle frontière de l'autre côté, mais qui, qui passent Tanout. Mais là, nous ne pouvons pas les empêcher. Mais quand nous voyons quelqu'un en irrégularité, effectivement, là, nous l'arrêtons. Maintenant, entendre que effectivement, au niveau de Tanout, il y a des jeunes qui se livrent à cette activité à l'heure où je vous parle, jusqu'à trouver une structure organisée, ça, je m'inscris en faux. Monsieur le maire Omar Djibrilou, votre mot de conclusion Bon, la conclusion c'est quoi Vraiment, nous, on est surpris d'entendre qu'il y a des gens ici qui servent du passeurs dans la ville de Tan Là, vraiment, ça ne me met pas à l'aise d'entendre ça. Monsieur le préfet. Vous savez, euh, ce phénomène, hein, J'avoue que nous, ça n'a jamais été une grande préoccupation parce que ça n'existait pas chez nous, au niveau de notre département en tout cas en ce qui concerne notre population, quand nous sensibilisons, c'est effectivement pour que ces jeunes-là, qui sont au niveau, des, différents centres, au niveau des différentes communes, pour qu'ils s'adonnent, n'est-ce pas, aux vraies activités économiques, aux, vraies activités de développement qu'on est en train d'initier à tous les niveaux avec euh, l'appui de l'État et les partenaires au développement qui sont en train de s'investir, en tout cas, euh, comme l'a souhaité le premier responsable de ce pays. Je vous propose à présent d'écouter notre point de vue sur cette question de la migration à Zender avec un acteur de la société civile. Il s'agit de Hassan Boukar, membre de l'association Alternative Espace Citoyen. Bonsoir, monsieur Hassan Boukar. Bonsoir. En tant qu'acteur de la société civile qui euh, suit de très près ces questions, pouvez-vous euh, nous donner une idée de l'ampleur de, de ce phénomène dans la région de Zender La région de Zender, comme euh, d'autres régions au plan national, est une zone de départ de migrants en direction d'autres contrées. Ces derniers temps, les cas les plus connus, ce sont les migrants de Kanché ou les migrants d'allergie, parce que c'est surtout des femmes et des enfants qu'on a vus sur les routes en direction des pays du Maghreb et de l'Algérie en particulier. Mais des autres zones aussi des Anders, de la zone de Tanout, de la zone de Gouré, vous avez quand même des migrants qui se déplacent notamment vers la Libye ou vers euh, d'autres régions du continent. Donc Zander, c'est quand même une zone de départ importante. vous rappelle, euh, à la suite de l'effondrement de la Libye, la zone avait reçu près de 60 000 migrants qui ont été renvoyés de la Libye. Donc ça montre quelque part que cette zone est une importante zone de départ des migrants. Quels sont les principaux facteurs euh, de cette migration pour ce qui est de la région de Zender Vous savez, généralement, dans cette zone, vous avez des migrants saisonniers, c'est-à-dire euh, des travailleurs de la terre, agriculteurs notamment, qui partent à la fin fin des saisons de culture vers d'autres contrées afin de gagner des ressources euh, complémentaires à ce qui est déjà acquis grâce euh, aux travaux agricoles. Vous avez essentiellement donc des travailleurs euh, agricoles qui partent euh, chercher les mieux-être ailleurs. Vous avez également autour de ça de plus en plus des jeunes qui partent euh, parfois pour un temps plus long, puisque les travailleurs saisonniers souvent ils reviennent euh, lorsque les saisons de culture s'annoncent, tout au plus au bout de deux saisons de culture ils reviennent vers le bercail. Vous avez aussi des gens qui peuvent aller pour la durée, de plus en plus des jeunes parfois scolarisés, qui n'arrivent pas à accéder au marché du travail. Vous avez aussi euh, un peu ce qui motive les gens. Parfois, c'est aussi les, success stories, comme on le dit. Il y a des exemples de personnes qui sont allées, qui ont eu plus ou moins de succès, parfois de fortune, entre guillemets, et ça incite les autres à partir. On retrouve un peu cette raison autour des Kanche, par exemple où les premières femmes qui sont allées en Algérie ont acquis quelques biens qui étaient visibles, elles ont acheté des charrettes, certaines ont retapé des maisons et tout ça, et donc ça incite d'autres à partir. Mais globalement, ce sont des raisons de survie qui poussent les gens à partir, c'est souvent des raisons liées à la pauvreté qui poussent les gens à partir, le manque d'emploi, l'espoir qu'on peut retrouver. La migration euh, au niveau de, de on sait que c'est cantier quand même qui est le plus connu en termes de départ de, migrants, notamment les femmes. Il n'y a que ces femmes qui partent ou y a-t-il des hommes Et quelle est la balance entre les deux groupes Bien sûr qu'il y, a, y a des hommes qui partent, c'est un peu la tradition. On connaît euh, surtout les hommes sur les routes euh, quand je parlais de Tanout, de, Gouré ou d'autres zones de la région des Andes, ce sont quand même des hommes qu'on voit. Le cas de Kanché a euh, défrayé la chronique parce que pour la première fois, on voit des femmes en grand nombre prendre les routes. C'était pas très habituel. On voit des femmes avec des enfants prendre la route. C'est surtout ça là, qui fait la spécificité de, de, de Kanché. Sinon, vous avez parfois des hommes qui partent avec leurs femmes. Ailleurs, oui, les femmes partent, mais ce n'est pas aussi visible que ce phénomène qu'on a vu à Kanché. Donc, euh, un peu partout, euh, ce sont surtout les hommes qui prennent la route. Donc, tout à l'heure, vous avez cité quelques localités. Vous avez cité Kanché, vous avez cité Gouré et Tanout. Qu'en savez-vous par rapport au départ à Tanout Tanout n'est-il pas euh, seulement qu'un lieu de passage des migrants ou bien c'est aussi un lieu de départ de, des migrants Vous savez, cette zone, on parlait avant de Damergou, cette zone de Tanout de Damergou qui était présenté d'ailleurs comme un des greniers du Niger. Mais la situation que vivent les populations dans la zone de Tanout n'est pas très différente de ce qu'on voit autour de Gouré, un peu partout d'ailleurs, entre deux saisons de culture. Vous avez peu d'activités pour les bras valides. Les saisons des cultures elles-mêmes, elles sont moins abondantes que les années antérieures. Et donc, du coup, vous avez beaucoup de jeunes qui se mobilisent et qui essaient de trouver les mesures ailleurs. On a eu l'occasion de visiter quelques communes comme Kanyawami dans cette zone nord de Zander en mars dernier à l'époque déjà, il y avait beaucoup de migrants qui avaient quitté. Euh, certains étaient euh, dans l'exploitation de l'or en route vers euh, l'Algérie, le Maghreb. Certains se sont arrêtés à Agadez et se sont orientés sur les sites d'exploitation d'or du Jadou. Le site est enfermé. il y en a certains d'entre eux qui ont directement continué vers d'autres pays. On avait rencontré des autorités locales qui nous disait justement que beaucoup de ces jeunes, après la fermeture des sites orifères du Jadot, au lieu de revenir bréduits à la maison, ils ont préféré continuer vers les pays voisins. Donc, euh, dans le Damergou, dans la zone de Tanout, vous trouvez aussi beaucoup de jeunes, justement, pendant les périodes de soudure, euh, entre deux saisons de culture, qui se déplacent, qui vont tantôt au Nigeria ou ailleurs. Tout le long de cette zone frontalière avec le Nigeria, notamment les zones proches euh, des zones de la région des Andes qui sont proches du Nigeria. Beaucoup de jeunes partent vers le Nigeria, y compris à Kanché d'ailleurs. Mais la situation du Nigeria ces dernières années n'attire pas beaucoup les jeunes. Certains d'entre nous nous avaient dit que l'insécurité qu'il y avait du fait euh, de Boko Haram dans cette zone faisait peur. Et donc les gens tentaient d'aller ailleurs que d'aller au Nigeria. Et donc dans cette zone, que ce soit Gouré, Tanont, euh, Kanché, un peu plus au sud, les jeunes partaient vers la Libye et les raisons, ce sont souvent des raisons de pauvreté. On sait qu'il euh, y a une lutte sans merci qui est menée contre ces départs, contre cette migration, que ce soit celle qui concerne les nationaux ou celles qui concernent les étrangers qui passent par le Niger. Qu'est-ce qui, à, à ce jour, marche dans cette lutte et qu'est-ce qui bloque Une chose est certaine, je pense que beaucoup de mesures ont été prises par le gouvernement pour empêcher le passage. Comme d'autres pays l'ont tenté ailleurs. Quand ça arrive, souvent les migrants sont tentés de changer de chemin parce que c'est un chemin qu'ils suivent. Et donc, lorsqu'il y a suffisamment d'obstacles pour la libre circulation sur ce chemin, les migrants changent de route. On a vu par exemple des migrants se transféré vers le Mali, euh, passer vers Gao et tenter de remonter vers le sud algérien lorsqu'ils rencontrent de plus en plus d'obstacles justement en partant Grèce vers le nord. Et du coup, eh, on peut dire aujourd'hui que les flux ont diminué puisque la plupart des points de passage des migrants, il y avait des patries, des FDS, qui ramenaient vers Agadez les migrants qui tentaient le départ vers le Maghreb dans le désert. Les points d'eau, c'est les points de passage obligés. Alors, les migrants avaient le choix entre passer par ces points d'eau et se voir euh, ramener sur Agadez ou une autre localité, ou tenter notre aventure, prendre des risques et aller mourir de soif ou d'autres choses dans le désert. Donc pour nous, oui, à juger par les chiffres, entre autres présentés par l'OIM ou d'autres institutions, ou les chiffres publiés par les médias, quelque chose laisse croire que les flux ont baissé, en tout cas en partance d'Agadez vers euh, la Libye ou vers l'Algérie. Les raisons sont nombreuses. Il y a non seulement ces mesures qui sont prises ici, mais vous avez aussi la, la répression dans les pays d'accueil. L'Algérie a quand même renvoyé des milliers de Nigériens. Il y a près de 20 000 euh, ressortissants du Niger et peut-être d'autres pays qui ont été renvoyés par l'Algérie en direction d'Agadez depuis 2-3 ans. La Libye a apparemment fermé sa frontière avec le Niger, on l'a entendu dans les médias. Et donc, vous avez un concours euh, de facteurs qui font qu'aujourd'hui, les flux ont apparemment diminué, mais ce flux diminue aussi parce que lorsque les routes sont fermées, les migrants changent aussi de stratégie. C'est aussi vieux que ça. Euh, on l'a vu dans d'autres pays, en Mauritanie, au Mali, ailleurs. Lorsqu'il y a de plus en plus d'obstacles, les migrants changent de chemin. Mais on ne peut pas dire que parce que ces flux ont diminué, que euh, la situation de manière générale a diminué. En fait, c'est euh, les actions qui sont menées, c'est la solution facile. Voilà des personnes qui quittent chez, chez elles, qui quittent euh, leur maison pour dire on va aller chercher les mieux-être ou alors les conditions de vie sont extrêmement difficiles ici, on veut aller tenter une chance ailleurs. Mais toutes les mesures qui sont prises, c'est de dire vous ne partez pas, on ne voit pas la réponse. Qu'est-ce qu'on fait pour que leurs conditions de vie soient améliorées, pour que ce qui les pousse à partir soit réglé Ça, on ne le voit pas pour l'instant. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup plus d'actions à l'endroit des passeurs que des migrants eux-mêmes. Vous avez par exemple dans la région d'Agadez des passeurs qui ont été identifiés pour lesquels aujourd'hui on cherche à trouver un travail de reconversion pour qu'ils fassent autre chose que le transport des migrants. Mais vis-à-vis des migrants eux-mêmes, est-ce que vous avez vu des actions On ne voit pas ces actions. Et donc, on essaie d'étouffer quelque chose en prenant des mesures autoritaires contre la circulation. Les personnes à, à à Tanout ou à Kanché qui disent nous partons parce que nous sommes pauvres ou nous partons parce que on veut améliorer nos conditions de vie, on ne voit rien qui leur permette de rester, de continuer à rester chez eux. Pour vous, euh, jusqu'à présent, euh, les réponses apportées sont surtout d'ordre de répression et moins des réponses euh, pratiques La répression vise, notamment pour le Niger, à remplir sa part de contrat vis-à-vis de l'Union européenne. S'est engagé avec l'Union européenne pour fermer les routes qui passent par le Niger pour les réprimer. De ce point de vue, le Niger essaie de remplir son contrat. Mais pour les migrants eux-mêmes, des gens qui partent sous contrainte, qui quittent leur environnement, qui quittent leur pays pour aller ailleurs. Pour eux, on ne voit pas la réponse aujourd'hui. Il n'y a pas de réponse, on ne les voit pas. Et donc la seule chose qu'on voit, c'est la répression qui dit oui, même si vous avez des problèmes, vous devez rester. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Euh, est pénible. C'est pénible. Vous pouvez l'imaginer facilement. Quelqu'un qui dit là où je suis, je n'arrive pas à nourrir ma famille, il n'arrive pas à gagner ma vie, je vais aller tenter une expérience ailleurs. Lorsque vous lui dites non, vous devez rester malgré tout, eh bien, vous lui dites vous devez rester et souffrir de ce que vous vivez. Pour vous, à l'avenir, euh, des, des réponses doivent être apportées à ceux-là qui sont candidats au départ Sur la migration, nous avons une approche basée sur le droit. La, libre circulation est un droit, la migration est un droit. Et plusieurs instruments juridiques ratifiés par le Niger le reconnaissent comme tel. Le protocole de la CDAO reconnaît la migration comme un droit. Tout notre combat, c'est de dire au Niger qu'il doit respecter ses engagements, pas autre chose. C'est un droit, la libre circulation, parce que là, les mesures sont prises officiellement pour empêcher que les gens meurent dans le désert. On peut sécuriser les parcours des migrants. Si réellement, l'enjeu est de respecter la libre circulation et de respecter le droit à la migration, et donc on peut sécuriser les parcours. La migration est un droit. Il ne faut pas, pour que les Européens se sentent à l'aise, qu'ils nous sacrifient notre jeunesse. Et c'est ça qu'il faut éviter. Nous sommes au terme du forum de ce soir. Nous étions en compagnie de Sayabou Moussa, préfet du département de Tanout, Oumara Djibroulou, maire de la commune urbaine de Tanout, et Hassan Boukar, membre de l'association Alternative Espace Citoyen. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir à tous.